l'économie. Euh, mais je dis que le CFA, bon, nous, on, a, on, a, on, est né français, hein, on a hérité, hein, le, c'est le, franc des, colonies françaises d'Afrique. nous, après, on a eu euh, d'autres choses. Jusqu'à présent, la France n'a plus de francs. Et nous, on s'appelle toujours francs. Moi, j'ai dit dans mon il y a un enfermement psychologique, quand même qu'il faut lever. Je ne rentre même pas encore dans le débat. Est-ce qu'il faut sortir de la zone euro ou pas mais, il y a certains économistes qui pensent qu'aujourd'hui, il faudrait que le CFA devienne une monnaie flottante. Moi, je suis donc flottante, oui. Pratiquement, on peut dire que toutes les monnaies sont, flottantes. Ça dépend du cours. Euh, mais le CFA a une parité fixe avec l'euro. Mais l'euro flotte. La valeur de l'euro varie par rapport au dollar selon, disons, la conjoncture du marché. Mais ce que je dis, moi je suis de, ceux qui pensent que nous devons avoir notre propre monnaie. Simple, hein, je suis un économiste très terre à terre. La politique économique se fonde sur deux jambes. la politique budgétaire et la politique monétaire. Nous, nous voulons faire face à tous les problèmes du monde avec la seule politique budgétaire. Nous nous avons renoncé à notre politique monétaire. Quand vous lisez dans le monde actuel, qu'est-ce qui occupe la page du débat économique C'est la monnaie. Absolument. On parle de l'euro, le dollar, la Chine, euh, sur, la valeur sa monnaie. Nous, on est, en dehors du débat. L'euro monte, on monte avec. L'euro baisse, on baisse avec. Et quand même, il est temps aussi qu'on que, prenne des risques. Quand nous sommes combien d'États 14, peut-être, dans, la, zone froide, ou au moins dans l'UE mais je pense que euh, maintenant, on a, quand même des, techniciens de, très haut niveau, hein, dont le, Premier ministre, le, ministre des Finances, des gens quand même qui peuvent gérer une monnaie, une monnaie nationale. Et en plus, quand on observe euh, l'évolution économique de ces pays et qu'on voit le classement du PNUD, par exemple, les pays de la zone franc sont les pays qui sont les derniers au monde. Ils sont dans les derniers pays au monde. Et ce qui est curieux, c'est que depuis que nous sommes dans la zone franc, nous, ne sommes pas mieux placés que ceux qui ont adopté leur propre monnaie. Euh, nous, avons été classés derrière la Mauritanie. La Gambie. Ah nous sommes au même niveau que la Gambie qui a sa monnaie. Donc, euh, qu'est-ce que nous a apporté, disons, sur le plan des résultats économiques, macroéconomiques, cette appartenance globale à la zone Ça doit être posé. Peut-être que je fais partie des gens qui ont tort je veux dire, le moment est venu quand même de réfléchir sur notre propre monnaie et, quand même d'avoir une certaine indépendance, ne serait-ce que psychologique, tout en gardant peut-être des liens. Je ne dis pas parce qu'il faut se sortir de la France. Moi, je suis président des membres de la Légion d'honneur française, mais je pense que pour que le, même le lien avec la France soit solide et, pérenne, il faut que de part et d'autre, quand même, chacun mette en avant ses propres intérêts. Parce que moi, mon, prof d'économie internationale, euh, Jean Valère disait, la première phrase qu'il prononçait dans son cours, c'est dans les relations économiques internationales, il n'y a que l'intérêt. Et il répétait ça, et ça finalement, c'est donc un intérêt intelligent, bien construit, de part et d'autre, euh, euh, gagnant-gagnant, mais pas quand même une entente qui, frustre les uns et ne frustre pas les autres. Donc ça, c'était le deuxième Et moi, je suis de ceux qui, qui sont pour qu'on ait, notre, je me trompe, je ne suis pas à mon étage, mais je pense qu'il est temps quand même que le pays de l'UOMOA e ou le pays de la enfants réfléchissent à avoir leur propre monnaie. Hmm. Surtout que, disons, les liquidités sont énormes pour ce pays-là il y a, qui profitent des autres. C'est vrai que le Sénégal, si, on avait notre propre monnaie, jamais le Sénégal ne se serait permis cette, euh, cette liberté, cette, liberté dans les importations. Mais justement, c'est cette question que beaucoup de se posent, que dans la zone moi il y a plus de 5 000 milliards de francs CFA qui sont là, qui dorment, alors que nos pays sont coupés dans la pauvreté. Pourquoi les, nos pays africains ne peuvent pas prendre cet argent pour financer leur développement Général, votre grand jeu SMS spécial été revient encore avec plus de cadeaux. Jouez et gagne cette magnifique voiture Citroën C4 Aircross, offerte par la Sénégalaise de l'automobile. En répondant à la question suivante par SMS, quelle est la monnaie du Sénégal A, le franc CFA, B, le dollar. Envoie A ou B au 268 68 68. Appel au 88 628 0303 Tu peux aussi gagner des iPads, des iPhones, des ordinateurs portables, des fournitures scolaires, et plein d'autres lots. N'attends plus, envoie vite par SMS à B au 2 68 68 ou appelle au 88 628 03 03. Et tu auras peut-être la chance de repartir avec cette magnifique voiture Citroën Aircross. Donne du tonus à tes vacances avec le grand jeu été 2012. Tirage devant issu de justice, jeu agréé par la LONAS. Powered by Jet Multimedia. 4 Paris SMS au 24 500 avec les mecs et les nanas les plus cool du Sénégal. Envoie tout de suite AMI, A-M-I au 24 500 et rejoins en direct sur ton portable plein de nouveaux potes. Ils sont là et ils t'attendent pour des moments super fun. Vite, passe l'info. Le vrai kiff, c'est AMI au 24 500. C'est 100% connexion. 100% connexion. AMI au 24 500. 24 Powered by Jet Multimedia prêt pour la course au million Envoie million au 26 ou 8 26 pour gagner le jackpot de 100 millions. 26 8 26 26 8 26 100 jours pour gagner jusqu'à 1 million par jour, 2 millions par semaine et le jackpot de 100 millions. À toi de jouer. Envoie millions au 26 8 26. 26, 8, 26. La course au million est un jeu Nas. man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen Ça, c'est la question qui a été posée à très haut niveau. Je me rappelle que le président Ouad avait fait une sortie sur, sur, les, sur, ces fonds qui sont disponibles, qui ne servaient pas, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Parce que moi, je ne pourrais pas tout de suite donner la réponse pourquoi, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses pour quand même financer notre développement de meilleure façon. Donc moi, j'étais au deuxième niveau. Sur la monnaie, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un problème très très délicat, parce que la monnaie elle ne peut pas être débattue euh, sur la place publique. Euh, c'est une affaire de confiance de, secret, bancaire, etc. Mais il faut, poser il faut quand même poser le problème que beaucoup pensent, beaucoup pensent comme moi, qu'il faut aller vers notre propre monnaie. Et le troisième pilier que, que je trouve, c'est que jusqu'à présent, on parle du, secteur euh, informel. Le secteur informel, c'est 95% des, emplois créés, c'est 40, ça c'est les statistiques officielles du PIB. Mais comment un secteur qui pèse aussi, aussi lourd sur notre vie de tous les jours peut être considéré d'informel. D'ailleurs, quand vous dites informel, il y a toujours un aspect négatif. c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous tiennent à bras le corps. il, faut, les organiser. Il faut l'organiser. Je ne comprends pas qu'il y ait un département, euh, je n'ai rien contre... Euh, contre le, sport, encore moins, mais le, secteur informel quand même mérite, euh, qu'on se penche euh, de façon rationnelle, scientifique, euh, etc. Et, pour dire que le quatrième pilier, c'était le fait que les, nationaux sont exclus de la gestion des secteurs stratégiques, parce qu'il n'y a pas de financement adapté. Je lisais disais tout à l'heure alors que vous m'avez donné, mais qui voulez-vous qu'il finance le secteur national Moi je dis national, je ne dis pas informel les instruments de financement disponibles sur le marché ne sont pas adaptés. Justement, c'est cette question que beaucoup se posent aujourd'hui. Si vous regardez la place financière au Sénégal aujourd'hui, la plupart des banques, c'est des banques étrangères. Il n'y a pas de banque d'investissement sénégalais, sénégalaise. Pourquoi mais, justement, c'est la question qu'on se pose. Les crédits à l'économie rapportés au PIB au Sénégal tournent peut-être autour de 7%. Et dans, le ratio mondial est de 70%. Comment voulez-vous qu'on évolue je pense qu'il faut dire aux jeunes la vérité. L'emploi ne, s'invente pas. On ne peut pas dire euh, l'État va vous donner des emplois. Même les jeunes maintenant, n'est pas comme, comme, de notre époque. Hein. Ils sont bien instruits, bien formés. Les niveaux Il y a, y des pays qui ont pris l'option de travailler l'emploi à mettre en place des PME et des PMI. C'est ce que j'ai ah, dit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'État qui donne l'emploi. L'État crée les conditions pour que l'investissement se fasse et que l'emploi soit créé. C'est ça, il, faut quand même considérer qu'entre l'emploi et l'État, il y a l'investissement. Or, l'investissement, c'est le financement. Tu, tu peux avoir d'excellentes idées, un bon plan de financement, mais si personne ne te fait confiance, ou on t'impose des taux qui sont exorbitants par rapport à l'objectif visé, ce n'est pas possible. Donc il faut que le Sénégal quand même crée sa propre banque. De, on, a, éliminé les banques qui étaient là, mais à l'époque, la rationalité qui, fondait leur création est toujours d'actualité. Et le, Sénégal doit, mettre en place une banque de financement du, secteur national. Parce qu'on n'a pas les mêmes, normes. Les, banques traditionnelles qui sont là, c'est toujours les mêmes banques. Il y a, la b la Société Générale pour le Crédit Lyonnais qui est devenu Crédit Agricole, et puis encore plus les nouvelles banques, euh, Adjari qui est une banque marocaine, et UBA quoi, qui est une banque euh, nigériane, c'est ça. Et donc, qui va financer mais, certains estiment aussi que les immigrés pourraient être un, excellent levier. Ils envoient pratiquement chaque année plus de 600 milliards de francs CFA. Cet argent sert plutôt à construire des maisons, à marier des femmes, deux ou trois femmes. Est-ce que cet argent, l'État ne doit pas s'organiser pour mettre en place une banque de la diaspora Mais c'est l'argent de la diaspora. Pour financer l'économie sénégalaise. Oui, l'État doit, doit mettre les dispositifs nécessaires pour que la diaspora participent au financement de l'économie. Au Brésil, ils ont, ils ont fait une ligne de crédit, dans mes lecture, de 250 millions de dollars garantis sur les fonds transférés par, par leurs émigrés. Donc il y a une étude à faire. Mais c'est juste envoyer l'argent, bon, marier une deuxième femme ici, et puis mettre ça Non, il, faut que cet argent, l'utilisation de cet argent soit rationnelle. Je suis d'accord avec, vous. Le troisième pilier, et c'est l'un des piliers qui me semble les plus fondamentaux, c'est de créer de la richesse à travers les nationaux. Personne ne viendra faire le Sénégal à notre place. Ça, vraiment, il faut que les gens... Il faut répéter ça, je veux en boucle, à, mais, mettre une boucle. Euh, personne ne viendra faire le Sénégal à notre place. C'est à nous de construire notre pays. Mais ce débat, on l'a posé par rapport justement aux privés nationaux. On dit qu'il faut faire ce qu'ils appellent la préférence nationale. Mhm. Mais nous avons rencontré aussi d'autres dans le secteur. Par exemple, la mairie de Dakar a lancé un appel d'offres au Sénégal où aucun national n'a pu gagner le marché parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Moi, je suis conseiller municipal je ne suis pas maire, bon... C'est un problème aussi. C'est un problème. Si les nationaux ne pas, aussi C'est un problème à la, lecture. Il ne suffit pas de dire préférence nationale, mais vous faut outillé aussi. C'est ça, euh, c'est incompréhensible. Du mettre 10 ans, on a fait des... Parce qu'il y a une réglementation, je ne sais pas laquelle, je n'ai même pas de référence. Je n'ai pas voulu aller jusqu'aux références. Une réglementation et qu'on a fait des pavés dans tout Dakar avec une société burkinabé. gagné. Donc, qui a gagné le marché. Mais c'est, 50 milliards. Oui, c'est, 50 milliards de la mairie, 50 milliards, c'est, pour la mairie, c'est, énorme. bon, je n'ai rien contre les accords internationaux, mais il y a quand même des mesures à, prendre. Parce que nous sommes aussi dans la zone de l'UEMOA. <laughs> oui, on est dans la zone de l'UEMOA, mais il faut, il faut en faire l'évaluation. Comme je dis dans mon livre, il faut faire l'évaluation d'autres appartenances à l'IMO, comme l'Allemagne fait son évaluation de son appartenance à l'euro, comme la France, etc. Mais on n'est pas. L'appartenance ne signifie pas le sacrifice, euh, sacrifice suprême. Je, veux dire que là, c'est un cas particulier. Peut-être qu'ils ont des raisons que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des Sénégalais aussi qui gagnent des marchés au Burkina, Faso. Euh, Comment peut-on développer un pays comme le Sénégal où l'essentiel des ressources sont concentrées à Dakar Oui, c'est ça. Là, vous, vous marchez sur la langue. C'est le quatrième pilier je dis tout est concentré à Dakar parce que c'est le colonisateur qui voulait tout concentrer à Dakar. Moi, je suis de Dakar, j'ai grandi à Dakar, bien au contraire, plus Dakar s'embellit, plus cela mais c'est extraordinaire. Comment voulez-vous faire un pays pendant que toute la, toute la population habite au même, même endroit Ensuite, les potentialités économiques ne sont pas là. Il faudrait faire une pause sur les investissements dans la région aller vers, vers, le sud, aller vers, l'est, aller vers le nord, euh, sédentariser les, populations, demander aux jeunes d'aller travailler, mais tout concentrer à Dakar. Le régime qui est passé a tout concentré à Dakar. On a la plus belle corniche du, monde, euh, malgré les pluies qui, qui stagnent. On a une autoroute qui fait 7 km pour le moment, mais c'est très bien. On peut sortir de Dakar facilement. Mais qu'est-ce qu'on il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire euh, avec et qui ont révolutionné le, Sénégal. Donc il faudrait, euh, il y a ce que j'ai retenu dans le discours, du, parler il parlait de l'aménagement du territoire, mais il faut, il faut faire de la planification. Nous avons fait la planification de 61 jusqu'à l'arrivée de Wad. En principe, bon, le plan a été mis en, en mais il faut faire un plan éducatif, faire un aménagement du territoire avant de prendre des mesures conjoncturelles ou des mesures euh, de région il faut d'abord savoir où on va, comment on veut aménager nos territoires, qu'est-ce qu'on veut faire dans le sud, qu'est-ce qu'on veut faire dans le nord. Et une fois que tout cela est, ficelé, maintenant poser la politique. Moi j'allais dire euh, euh, au Premier ministre, on lui a dit il aurait dû venir euh, plus tôt parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. Moi je dis qu'il est arrivé plus tôt. Peut-être qu'il aurait dû aller leur demander, disant bon je vais revenir parce que Macky Sall, il faut qu'il fasse la rupture. Euh, actuellement, si on continue, comme j'ai l'impression, à faire les mêmes politiques, mais en les améliorant, les audits, même si on prend euh, les plus grands cabinets du monde, ils ne vont pas faire le futur, ils vont juste dire ce qui s'est passé. Et ça, ils peuvent le confier à des solutions, à des structures, à des cabinets. Mais ce qui nous importe, aujourd'hui au Sénégal, surtout pour des jeunes qui sont nés après l'indépendance, c'est de créer un nouveau modèle, de dire qu'est-ce qu'on va faire de, notre futur, tous ces jeunes qui sont sortis, tous ces diplômés qui sont qu'est-ce qu'on va faire C'est ça, c'est ça le, gros problème, c'est pas qu'on va une l'université à tel endroit. La concentration à Dakar, on repose le problème des inondations aujourd'hui, parce ça. que la plupart des gens qui sont dans la vallée ce sont mes parents du Fouta. Bien évidemment. là-bas, parce qu'il n'y a plus, rien à manger dans le monde rural. Bien évidemment. Et qu'il faudrait justement, qu'on on cette question-là, on ne règle même pas la question des inondations. bien évidemment il faut, il faut, il faut, il faut mettre en parenthèse, euh, de mon point de vue, les investissements sur, la, sur Dakar et ses environs, jusqu'à Thiès, et aller maintenant vers les, les autres régions. S'il y a deux investissements qui se posent, il faut privilégier l'investissement qui va à l'extérieur. Il y a tellement de richesses, mais des richesses qu'on ne voit pas. Quand je dis que l'impôt, c'est la croix de que nous n'avons pas de ressources naturelles. Nous, on que l'impôt et la dette, et les dons. Maintenant, personne ne donne plus. Les gens qui nous donnaient, ils sont plus fatigués que nous. Vous savez ce qu'on donne à la Grèce C'est 160 000 milliards. C'est crise. Hein. Euh, euh, traduit en francs CFA, c'est 160 000 milliards de, francs CFA, c'est-à-dire des siècles de vie du Sénégal pour sortir la Grèce de sa crise. Mais ça doit, nous, ça doit quand même nous ouvrir les yeux, alors que nous, on a pas besoin de tant d'argent pour, pour changer notre, notre vie de tous les jours. Ça veut dire que personne ne viendra changer ça. Est-ce que cela passe, comme l'a dit le Premier ministre, la mise en place de pôles de développement régionaux avec des fermes agricoles dans toutes les régions pour sortir les jeunes d'accord pour qu'ils aient cultivé la terre Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Au contraire, mais j'aurais préféré que ce soit dans le cadre d'un plan global d'aménagement du territoire et d'une planification indicative euh, adoptée par tout le monde nous, quand on est arrivé euh, à, l'époque au ministère de, l'Agriculture, on a réuni tous les, tous les vétérinaires, tous les ingénieurs euh, vétérinaires. On dit, vous êtes les, hommes de l'art, dites-nous comment il faut faire pour développer la filière. On a réuni tous les inspecteurs, euh, tous, les, tous, agronomes en disant, vous êtes les hommes de l'art, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut quand même poser le débat au plus bas de l'échelle, avec toutes les, toutes les valeurs, toutes les potentialités. C'est ça justement qui, euh, qui, surprend beaucoup de Sénégalais, que le Sénégal aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les questions essentielles. Euh, bien sûr, moi je ne vois pas de débat. Si je dois suivre des débats, il faut après aller en France dire Mais nous, on a tellement de choses à débattre. On a tellement de gens cultivés, intelligents, bien formés, euh, riches de propositions et qui sont là et qui, se sentent, qui sont frustrés. Il n'y a, pas un endroit où ils peuvent dire, voilà, je peux apporter ma contribution. Et ça, mais ça, c'est le rôle de l'État. C'est l'État qui doit rendre, fertile, disons, les, les, limons sur lesquels se reposent les, Sénégalais. Mais je pense que, moi, si j'avais un conseil, disons, technique hein, à, à donner, c'est que le Premier ministre viendra pour une autre déclaration de politique générale mais celle-là, disons, fondée dans, un an et demi, fondée maintenant sur vraiment des, connaissances fines, des orientations claires, euh, et euh, à ce moment-là de dire nous allons faire une planification 2014-2017, voilà ce qu'on va faire si, voilà ce qu'on va faire là, parce que le discours est complet, rien ne manque, il y a tout, il y a des solutions, mais des solutions de l'existant. Or, moi, de mon point de vue, c'est cet existant-là qu'il faut remettre en cause. Et donc, qui peut le faire C'est eux qui peuvent le faire parce qu'ils sont plus, aptes peut-être intellectuellement, plus aptes peut-être techniquement, en tout cas plus jeunes, plus ouverts. Il a dit dans son discours, il faut oser. Ah ben, osons. Mais est-ce que oser, comme le disent beaucoup de Sénégalais, c'est aujourd'hui de rendre compte Parce que les gens ont vu que dans des pays comme le Rwanda, Mhm. dans d'autres pays où les ministres viennent rendre compte mhm. de l'exécution du budget de leur ministère. Après, ils viennent rendre compte de ce qu'on appelle en anglais compte les prix. Vous allez rendre compte de ce que vous avez gérer. Au Sénégal, on ne rend pas compte. Non, le budget, le budget c'est vraiment l'expression des choix, des choix politiques. Il a fait son discours de politique générale le budget va être adopté. le, budget 2013, le budget 2013 être, euh, va être adopté. Et ce budget sera le reflet de la déclaration de politique générale du ministre au moins pour un an. Et il faudrait que, justement, j'ai dit dans mon livre, il faut que, il faut, moi j'ai dit dans mon livre, il faut un second rendez-vous entre, l'exécutif et le Parlement. Mhm. C'est noir écrit pour, compte. pour que l'exécutif vienne rendre compte de l'utilisation du budget qu'on a autorisé. Il faut un second rendez-vous. Et on, on, peut le faire, l'organiser. Ce n'est pas parce que les autres pays ne le font pas que nous le Il faudrait un second rendez-vous pour que le, euh, législatif euh, reçoive l'exposition. Voilà, le budget c'est temps, nous l'avons, voilà comment nous l'avons utilisé, voilà le taux, etc. Et pour cela aussi, il faut que le législatif soit armé pour ce faire. Il faut que des technocrates de haut niveau soient mis à la disposition de l'Assemblée nationale pour élaborer les documents, donner les conseils, que les députés puissent avoir des informations au même titre que l'exécutif comme ça se passe dans, tous les pays du monde. Mais si on laisse les députés à eux-mêmes, des fois, qui, ne maîtrisent pas euh, la technique budgétaire, etc., bon, le débat, le débat est, biaisé. Mhm. On ne va pas vous quitter sans pas de sport. Euh, vous êtes quand même sportif, connu, reconnu au Sénégal. Vous étiez euh, ancien ministre des Sports, à l'épopée euh, fastidieuse des Lions du Sport qui ont été en Corée et au Japon. Aujourd'hui, le sport sénégalais semble être le creux de la vague. Pourquoi ça ne marche pas oui, c'est une bonne transition, parce que j'ai dit dans mon livre, on a beau euh, détruire les fondamentaux de la stratégie économique coloniale, mais le plus important, c'est l'homo sénégalensis, c'est lui qui doit faire la différence. C'est l'homme sénégalais qui doit prendre compte, comme le dit euh, le, Premier ministre dans son discours, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas l'État qui est, est responsable de ce pourquoi on a mis en place ces dirigeants Mais c'est l'individu sénégalais qui doit prendre ses responsabilités pour dire, moi, je ne dois pas me permettre une telle attitude, je dois participer, comme, comme ils disent, nouveau, nouveau, de sénégalais. Donc ça, j'avais déjà dit dans mon livre que c'est ça, c'est ça qui est au cœur de tout. Parce qu'on a beau mettre des, schémas, si, on ne fait pas une promotion de l'homme sénégalais, le problème aussi risque d'être entier comme disait Senghor, il est au début et, à, la, fin, du, du, développement. Maintenant, pour venir au sport, bon, c'est de mes grands regrets. Je n'ai jamais voulu être ministre des Sports. Quand j'étais consulté, je dit mais j'ai fait le sport toute ma vie en, bénévole. Et ça, c'est un regret, peut-être, que j'aurais pu faire, peut-être, je ne sais pas, euh, l'inverse, avancer ou reculer. Mais comme je faisais du. Le sport a toujours été, pour moi, un violon dingue bénévole, mhm. euh, j'ai toujours voulu quand même montrer à côté du sport que j'ai fait des études comme tout le monde, j'ai travaillé. Bon, les gens ne retiennent de moi que le, footballeur, alors que bon, grâce à Dieu, j'ai vu l'État fonctionner pratiquement sur tous les angles. Mais le sport maintenant, c'est l'économie. Mais le sport maintenant, ça a, dépassé, ça a dépassé le sport de notre époque. C'est une activité économique génératrice de richesse. Euh, il ne suffit même pas d'être sportif, il faut regarder la télé. Il faut regarder la télé, il faut le champion d'Angleterre, le championnat d'Espagne. Qu'est-ce que ça, ça crée comme, plus-value Et ici, pourquoi On rien. Pourquoi C'est ça le grand problème. Pourquoi Je pense que dans tous les, comme dans tous les domaines, il faut, il faut donner, il faut donner la responsabilité aux gens qui savent de quoi ils s'occupent. Ça, c'est la première chose. Et ne pas faire des confusions. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer euh, dans, le sport. on ne parle que de football déjà. On a toutes les autres disciplines qui nous ont valu, disons, les plus grands honneurs. Mm-hmm. surtout les disciplines euh, comme le karaté, le judo, enfin, ces disciplines, le basket, mm-hmm. euh, le basket féminin, et, ces disciplines-là, il faut reconnaître que quand on n'est pas initié, quand on, quand on ne connaît pas la matière, on n'a pas droit à la parole la discipline qui souffre le plus, c'est le football, parce que là-bas, tout le monde est expert. Et il suffit de bien parler, parfois d'avoir une belle cravate pour prendre une responsabilité, donc on est ni du début ni, une de fond. Mais ce qu'il faut faire, c'est poser la vraie dimension du, du, sport. Il y a le sport amateur, il y a l'éducation physique, il y a le sport professionnel. On parle beaucoup de sport professionnel, j'ai eu même des professionnels menacés au ministre comme quoi mais le sport professionnel, les gens, ils le font pour gagner leur vie. Nous, on a toujours fait du sport amateur, on ne nous a jamais payé. Mhm. Alors, mais ça, il faut l'organiser, comme le sport professionnel, avec ses règles à part. Maintenant, le sport euh, amateur, c'est un, autre problème. C'est l'affaire de la Fédération sénégalaise de football, par exemple, qui doit organiser le football de la base, quand je parle de la base, de la base territoriale, jusqu'au sommet, de la communauté rurale jusqu'à la ville et de, des pupilles jusqu'au seigneur. Mais ça, c'est comme on dit, c'est une planification. Il faut faire un, plan de développement du sport et le financer. Le financer, c'est possible. Je pense que financer le sport, le financement, ce n'est jamais le, problème. On a eu dans les suprêmes, toutes les crises, l'argent est toujours là. <laughs> Parce que quand on dit que les suprêmes, on a financé des, gens qui n'avaient pas de quoi rembourser, mais on ne dit pas où est l'argent. On dit on a, parce que c'est les vases communicants. Quand quelqu'un perd, c'est que quelqu'un gagne. Mais ce qu'on ne comprend pas au Sénégal aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était quand même les, clubs de football qui donnaient euh, les meilleurs footballeurs peut-être aux équipes nationales. Aujourd'hui, c'est des écoles de formation. Non, non, ça c'est un mirage. Ça, ça vraiment, c'est un mirage. Et puis c'est dommage là je parle euh, vraiment un euh, technicien du, foot. Déjà, on ne peut pas parler de formation, de centre de formation qui ne soit pas adossé à un club. C'est un modèle qui n'existe nulle part, peut-être qu'au Sénégal, on permet à, quelqu'un, un individu, de créer son école de football tous les matins, de réunir les jours. On va même jusqu'à permettre à des gens de venir à l'étranger, louer un terrain, faire un communiqué à la radio, prendre des jeunes, les faire jouer en match et les amener en France. Comme la tête des esclaves avant. Tout doit passer par la Fédération sénégalaise de football tous les centres de formation, toutes les écoles de football devraient être réglementées, rattachées à des clubs ou Mais paradoxalement, paradoxalement les meilleurs footballeurs mhm. viennent de ces centres de formation. L'équipe olympique, la, plupart d'entre eux viennent de ces centres de formation. Lesquels sont L'équipe olympique, il y a qui Qui était en oui, il y a, l'équipe. Les Sadio Mané, les Moussa Konate et autres viennent de ce centre oui, Oui, mais moi, j'ai fait. Les clubs ne donnent pas. J'ai été le premier à faire euh, un centre de formation, mais je me suis arrêté. Et quand on m'a voulu que j'aille en deuxième division, je dis c'est pas possible, je ne peux pas aller en seconde division, pas de, je, ne suis adossé à rien. Je faisais de, la formation, je peux jouer en junior, affilié à la fédération, en junior et en cadet, mais arrivé à un certain niveau je ne peux pas, je ne peux pas émerger. Mais là, le jambar, parce qu'il faut, il faut en parler. Mhm. À part le djambar, c'est quel est encore le centre Peut-être on parle de génération foot. Dakar Sacré-Cœur. Oh, Dakar Sacré-Cœur vient à peine de naître. Hein. Mais justement, ça, c'est l'anti-modèle, tu veux dire. Quand dans un pays, un centre de formation et le club le plus puissant, il y a un problème un centre de formation qui, qui, joue la finale du championnat, il y a un problème. Ou bien, moi, je... Mais il y a un autre problème aussi. Il y un autre aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est les équipes de Narétan qui sont voulues dans le championnat, qui pratiquement sont tout le temps en finale. Non, c'est pas de, non, de, de c'est une, excellente chose. une excellente chose, parce mhm. que moi, je suis de l'agenda je suis un peu pour l'agenda Il y a des girafes, mais il y a des, modèles qui sont obsolètes dans le monde entier. Vous n'entendez jamais parler de l'AS Douane de, Madrid qui joue la finale de la Coupe d'Europe ou je euh, je sais pas, non, c'est fini, c'est des équipes de ville. Mhm. On peut considérer que Niar Italie euh, le modèle parfait, c'est Casasport. Casasport, vraiment, c'est le modèle parfait. un club, une ville, avec tout le monde derrière, derrière le club, c'est ça l'avenir. Euh, c'est un modèle. Euh, Nyambour c'était un modèle, malheureusement, je ne sais pas ce qui est arrivé au Nyambour mais normalement, il devrait jouer les premiers rôles. Thiès devrait avoir une grande équipe. Dakar, on doit avoir quelques équipes. Les, girafes devraient être adossées à des villes, quitte à, faire avec, avec elles des, partenariats. Mais les modèles anciens, comme dans l'économie, sont obsolètes le modèle qu'on avait il y a 10 ans, c'est obsolète. On n'ira jamais en Afrique euh, pour, pour, pour, pour, gagner quelque chose parce que nous rencontrons des équipes qui sont autrement mieux organisées. Là, on a fait du professionnalisme. Je ne sais pas ce que, ce que ça donne. Je ne veux pas critiquer un système que je ne connais pas très bien, mais professionnel, comment, qui, qui paye les salaires, quelles, sont les, règles qui leur sont imposées, est-ce que les salaires sont payés, à quel niveau enfin, Au début, j'avais lu que les joueurs devaient toucher 75 000 francs. ils ont oublié qu'il y a l'Internet qui existe quand même. Parce que quand un joueur sénégalais professionnel qui j'en produisent, gagne 75 000 francs par mois, ça veut dire euh, combien d'euros 15 euh, 75 000 francs. 60, euros. 150 euros. C'est-à-dire euh, la place, euh, euh, place place dans peut-être Paris Saint-Germain pour un match qui n'est pas très, très, très intéressant. Et pour un joueur professionnel, il y a un problème. où on fait du professionnel ou on n'en fait pas. Mais j'ai encore été beaucoup plus traumatisé quand j'ai entendu un ministre du gouvernement dire à l'époque le professionnalisme ce n'est pas notre problème. C'est grave. <laughs> Or, l'État, il n'y a pas un pays au monde qui a fait du professionnel sans que l'État soit devant. C'est à l'État à l'organiser, à modifier, disons, le texte organique pour considérer le sport quand même comme un métier, avec les conditions d'exercice. C'est l'État qui doit quand même subventionner, préfinancer une bonne mise en place du football professionnel. C'est l'État qui doit quand même aider à, faire les infractions. Il n'y a pas un club qui est capable de faire son terrain, son gazon, il n'y en a pas. Bon, Sacré-Cœur, c'est un investissement. Sacré-Cœur, c'est un investissement. Djambar, c'est un investissement. Ils ont acheté des terrains synthétiques. Ils ont... Mais qui est le club ici qui peut Oui, mais l'État dit qu'il y a tellement de priorités qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. On parlait tantôt de 46% de Sénégalais qui sont pauvres, peut-être plus. L'État n'a pas les moyens directs, peut-être, de le faire, mais l'État a des moyens indirects il, y a la coopération internationale, il y a, beaucoup de choses. Mais il faut que l'État déjà rassure. Il y a le partenariat euh, avec des clubs étrangers, il y a, beaucoup de choses qui peuvent. Il y a le partenariat avec les villes. Il faut que les villes, ça on n'a pas parlé de la décentralisation, mais si on veut toujours laisser les villes comme Dakar euh, euh, dépendant de, de l'argent que leur envoie le ministère des Finances sans les responsabiliser, disons, dans la collecte des impôts qui, vont, qui, vont dans le budget, également ça pose problème. Il faut que l'État veille aussi sur le plan de développement des, collectivités que le sport ait sa place. Mais c'est un vaste programme qui rentre dans le développement du sport, rentre dans la planification globale. Mais pour le, pour, le sport sénégalais, je pense qu'il y en a fait des résultats quand même depuis, un résultat <coughs> important, c'est la qualification aux Jeux Olympiques. Parce que depuis que le Sénégal existe, le football n'a jamais été euh, aux Jeux Olympiques. Ça, c'est comme la première fois qu'on a été à la Coupe du Monde. Bon, on a également les, baskets. L'impression que les Sénégalais ont, c'est qu'on gère des campagnes. Ce n'est pas des, des, choses qui sont faites sur le long terme pour gagner. C'est ça. C'est des à qu'on fait. C'est ça. Euh, l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui est dans une situation Je ne veux pas être trop dur euh, avec le foot, mais les équipes nationales les autres équipes nationales encore sont des équipes formées avec les joueurs qui sont là. Mais l'équipe nationale de football, il y a, combien de, joueurs locaux qui, dans cette équipe C'est des, des, joueurs qu'on réunit à chaque match et à trois jours et ils repartent. ça, gérer ça, c'est difficile mais c'est autre chose. gérer le football, c'est autre chose. Il faut l'amalgame. L'équipe nationale a gagné avec des joueurs qui n'habitent pas ici, pour la plupart de plus en plus, qui ne sont pas nés ici, mm-hmm. qui sont des, des nationaux qui ne sont pas nés ici. Parce que nous, quand on faisait la formation, les jeunes étaient formés ici, intégraient les centres de formation et revenaient jouer en équipe nationale. Maintenant, c'est le contraire. C'est des jeunes qui sont nés en France, de parents sénégalais, qui font les écoles de formation en France et qui joue dans les équipes françaises et qu'on appelle pour qu'ils viennent jouer au Sénégal. Vous voyez, c'est un autre problème. C'est-à-dire, nous, les centres de formation qu'on a, c'est pourquoi Quels sont les débouchés Une formation doit avoir un débouché. Mmh. si on forme dans les centres de formation, il n'y a pas de club pour les accueillir. C'est comme l'université former des milliers de, licenciés à lettre, alors qu'il n'y a pas. C'est la même chose hein, dans, le foot. Y a pas On parle de deux, ou trois, les deux que tu m'as cités, mais derrière eux, il y a combien Il y a combien de joueurs qui sont là, qui n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas intégrer des clubs dignes de ce nom, mais des clubs locaux. Ou au moins ils peuvent s'entraîner décemment, avoir un salaire minimum décent, avoir du public. Monsieur Malik Souri, merci de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle que nous parlions avec vous de votre livre que vous avez sorti pour un nouveau modèle économique. Sénégal, l'économie à travers l'impôt de 1960 à 2010. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la TFM d'avoir été avec nous. Au revoir.